du tribunal grande instance hors de Dakar par le commandant de la section de recherche après les correctifs et le changement de format sous le numéro 078 du 5 février 2021. Euh, Dans la partie mention, le commandant a rajouté la phrase suivante. Précisons en outre qu'un prélèvement vaginal a été fait sur la victime pour un éventuel, test ADN. Nous devons nous Mbaye procès verbal hein le 8 février yóbbu ko parquet bu tribunal commandant de recherche a def changement yi mu ci changement commandant il y a changement yi y ñu a ci def nañ un prélèvement vaginal le 8 février le 9 février 2021 le procureur de la République a retourné le procès verbal à la section de recherche pour qu'il soit modifié en vue de fonder des poursuites contre le député incriminé notamment le procès verbal de Sentap ans. je vais parler sur le procès verbal jébbal ko commandant Mbengue nous le ci bañ procureur de la République daf ko ne modifier le procès verbal ngir ma mën a topp kii di Ousmane Sonko cela, le procureur a instruit, entre autres, de modifier la partie réservée à la réflexion des faits pour se focaliser seulement sur le paiement de 50 000 par Ousmane Sonko après la séance de massage. Ceci dans le but de retenir le délit d'association de malfaiteurs de procédure contre la nommée Khadijaï pour pouvoir atteindre M. Ousmane Sonko. Ce que le commandant fit aussitôt. Le même jour, le gendarme sec affecté au secrétariat de la section de recherche a été chargé d'acheminer à nouveau le procès verbal sous plus fermé. Le commandant a décidé, pour des raisons de sécurité, disait de garder lui seul la version définitive du procès. procès verbal mu ne procureur Serigne Bassirou Gueye moo leen sant la leen modifier leen dindi leen lépp ba mu des cinquante 000 francs yu Ousmane Sonko fay ba pare ngeen dugal ay article yoo xam ne di ngeen mën a topp Ndeye Khady ba lëkkaloo ko ak Ousmane Sonko pour association de malfaiteurs ak proxénétisme mu ne loolu ba ko procureur waxee mu ñëw ca euh, section de recherche commandant Mbeng da koo def mu ne bam ko defé ba paré mu jox ko ben gendarme bu nek sec bu tuddu sec buñu buñu bu bu ñu affecté secrétariat section de recherche koku jëlat procès verbal bi def ko souple fermé procès verbal bobu nak